Présidente de l'ONG Femmes contre la guerre, Azara Mamadou, dite l'État œuvre à travers la sensibilisation pour un retour de la paix au nord Niger. Mais qui est Azara Mamadou dit Alitan Je suis né vers 1960 à Tigdanarkar dans la commune d'Ingel, région d'Agadez. Je suis mère d'une enfant et grand-mère de quatre enfants à la direction des transports terrestres, section visite technique. Je suis aussi présidente de l'Association des femmes nigériennes contre la guerre. Présentement, je suis euh, conseillère spéciale au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Je suis diplômée du niveau moyen de l'École nationale d'administration. Parlez-nous de votre association. Pourquoi Femmes contre la guerre, les objectifs, les résultats significatifs obtenus, quels sont les obstacles rencontrés L'association des femmes nigériennes contre la guerre est une association à but non lucratif, apolitique, gérée par des femmes, créée juste après les accords de la première rébellion. C'est vraiment dans le cadre de consolider la paix. Ayant vécu la première rébellion, la deuxième rébellion, nous savons que la paix n'a pas de prix et qu'il faut tout faire pour consolider cette paix une fois retrouvée. Nous avons plusieurs femmes sensibilisées qui peuvent aussi transmettre les messages et qui l'ont d'ailleurs fait. Il y a vraiment le manque de moyens. Ça, il faut le dire. Toujours, c'est problèmes entre associations, entre X, entre Y, ça, ça ne manque jamais de Cuba. Est-il vrai que vous avez été une actrice du retour de la paix au Nord Niger J'ai joué quand même un rôle important avec un certain nombre de femmes. Et ça, je ne dirais pas que c'est moi, c'est l'œuvre de toutes les femmes de la région d'Agadez qui ont démontré, qu'ils ont été des actrices, ça c'est reconnu. Racontez-nous un peu les actions menées. Les actions les plus que nous avons menées, c'est au moment de la dernière rébellion du côté du gouvernement, c'était des bandits, on ne peut pas discuter avec les bandits. De l'autre côté aussi, les rebelles ne pensaient pas pas de les armes là. Quand même, nous avons joué un rôle en tant que femme à prendre l'initiative, à aller vers les autorités, vers la rébellion. On a organisé un forum international qui a vu la participation des femmes africaines. Donc c'est de là qu'est parti les réseaux, il faut faire la paix. Vous êtes aussi une femme politique agadaise. Quelle lecture faites-vous du rôle joué par la femme en politique au Niger Dès que tu es femme politique, d'abord tu es combattue par tout le monde. Surtout quand une femme a occupé des postes de responsabilité, elle devient l'adversaire de tous les hommes. Être femme politique au Niger, c'est pas aisé. Il faut toujours forcer. Comment voyez-vous la situation actuelle d'Agadez avec tous ces foyers de tension Croyez-vous à un retour très proche au calme Moi, je crois bien qu'il y aura un calme, vu ce qui nous entoure. Mais jusqu'ici encore, ça va. Il suffit que l'État nigérien et les partenaires mettent les paquets liés et retour au calme. Un dernier mot sur la consolidation de la paix. De lutter contre l'ignorance, la pauvreté et les manques d'emploi des jeunes.